forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou auditeurs et auditrices du studio Kalangu, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangu, votre émission quotidienne qui apporte des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Au micro, fils Adam Sifo. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger et dans plusieurs localités. Et depuis le début du mois d'août 2017, ce réseau de diffusion s'est étendu aux localités de Tanout, de Madawa, de Dakoro, de Dogonduchi, de Wallam, de Kablewa, Jinjimi, Tera et Kwaretegi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit un total de 31 radios dans tout le pays. Comme vous le savez, la communauté musulmane du Niger a célébré samedi 2 septembre dernier l'Aid el kebir ou fête de Tabaski, une fête qui marque la dévotion d'Ibrahim. Il est donc recommandé aux musulmans de sacrifier une bête. Derrière son aspect festif ou religieux, la fête de Tabaski est aussi une opportunité pour faire des affaires, même si vendre une ou des parties de l'animal immolé pour la Tabaski est interdit par l'islam. L'une des activités les plus pratiquées le jour de la fête, c'est la vente de peaux d'animaux immolés. Nombreux sont les acheteurs ambulants, les jeunes et adultes qui font de porte en porte pour acheter les peaux des bêtes non trouvées lors du dépeçage. Et ce, pour revendre en retour soit aux sociétés spécialistes dans l'exportation du cuir ou à des entreprises de cordonnerie, de cordonnerie et de maroquinerie locales. Ensuite intervient le ramassage des cornes de bœufs que les jeunes revendent également une vraie source de revenus pour ces derniers. Par ailleurs, plusieurs ONG locales profitent de la fête de Tabaski pour lancer des appels de collecte de peau, un moyen pour elles de s'assurer une source de financement conséquente. Que deviennent les résidus de la fête de Tabaski, tels que la peau et les cornes des bêtes immolées C'est donc la question à laquelle nous tenterons de trouver des réponses dans le forum de ce soir. Nous avons dans ce studio M. Hamidou Serki, secrétaire général de la coopérative des métiers d'art du Niger. Il est également spécialiste en sculpture, os, cornes et tableaux à croix. Bonsoir, M. Hamidou. Bonsoir. Nous recevons également M. Aminou Habou, secrétaire général de la tannerie de Gamkale. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à, à un autre l'arrivée de M. Ali Akili. Il est artisan au village artisanal de Niamey. Bonsoir à tous. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je donne la parole à mes invités pour euh, nous présenter brièvement leurs, structures et leurs activités respectives. Je commence par ma droite, euh, Monsieur Sarki. Présentez-nous votre structure. Merci. Je suis secrétaire général de la coopérative Centre des métiers d'art du Niger. Et en même temps, je suis, comme vous le dites, spécialiste de la sculpture sur os et cornes le centre des métiers d'art est situé en face de la de l'hôtel de ville, communément appelé mairie. Mm-hmm. Donc, euh, le centre des métiers d'art est spécialisé dans la maroquinerie, bijouterie, la guinerie et la sculpture. Mm-hmm. Donc, euh, il y a à peu près 7 à 9 corps de métiers qui se pratiquent au sein du centre des métiers d'art. Monsieur Aminou Habou, parlez-nous de la tannerie de Gamkale. Oui, euh, comme vous venez de le dire, euh, je suis le secrétaire général euh, de la tannerie Gamkale. Donc, notre métier, c'est le tannage végétal. Mm-hmm. Donc, à part le, tannage végétal, il y a aussi la collection des pots. C'est-à-dire, on collecte à ces moments, et vraiment si précieux pour nous, et on collecte des pots auxquels on, on fait des, on met des, des sels mhm. pour exporter ça au Nigeria. Merci à vous. Euh, nous sommes donc au lendemain de la fête de Tabaski, une fête au cours de laquelle le fidèle musulman ayant le moyen a eu à faire un sacrifice, soit avec un mouton, un bœuf ou un autre animal recommandé par l'islam. Et comme je le disais plus haut au cours de cette fête, la vente de la peau des bêtes est une activité qui rapporte beaucoup. Selon El Haja Awal Rabiou, un acheteur ambulant, cette année, l'on assiste à une montée du prix de la peau comparativement relativement à l'an dernier. On l'écoute. Cette année, les prix de la peau sont en hausse comparativement à l'année dernière. C'est peut-être dû à la remontée du Naira après sa dévaluation. Cette année, nous achetons la peau, l'unité, à 750 francs CFA, alors que l'année passée, elle se vendait à 250 francs CFA. Le principal marché d'exportation pour nous reste le Nigeria. Ces peaux que vous voyez, nous les aspergeons avec du sel, sinon elles sont inutilisables au bout d'une heure. Vous venez là d'entendre ce tacheteur ambulant qui parle de la montée des prix par rapport aux années précédentes et l'interview a été réalisée euh, lors de la fête de Tabaski. Monsieur Aminou Habou de la tannerie, est-ce que vous confirmez cela Oui, ce qu'il dit c'est vrai, c'est dû à, la tendance du NERA. Vous savez, euh, l'année passée, le NERA là, ça situe au niveau de 850. 1000 francs à 850 naira. Mm. Mais cette année, ça revient à 600, 650 comme ça là. Donc ça dépend. Donc la chute euh, ou bien la hausse du naira, c'est ça qui fait que vraiment euh, la peau a de valeur ou pas. Mm. Euh, ici au Niger, vraiment, on a un problème. Mm. notre seul client au niveau de, la peau brute, c'est le Nigeria. Tant que le Nigeria n'a pas besoin de cette peau-là, vous allez trouver ça partout dans les rues ou bien dans des poubelles comme ça là. On n'a pas ici euh, au Niger, vraiment, euh, jusqu'à présent, l'État ou bien les bailleurs même qui sont ici au niveau du Niger n'ont pas et, ne donnent pas la valeur mm. à la peau. Mm-hmm. Parce que quand vous prenez le Nigeria, c'est des privés qui investissent pleinement au niveau de, de, peau. Mm. Vraiment, c'est... OK la tannerie de Gamclé, on sait, elle est la grande entreprise de production des et de peau. Mhm. Mais pour, euh, pour en savoir plus, quelle est la différence entre le cure et la peau Entre le cure et la peau, eh, c'est la même chose, mais dans le domaine technique, eh, on considère que la peau, c'est la peau seulement du, mouton et de, des autres petits ruminants, tandis que eh, le cure, c'est le, le grand ruminant. Mhm. tels que les chameaux, les baies ou autres. Mhm. Donc c'est ça la différence. Et alors, euh, à la tannerie, comment vous arrivez à vous procurer de la peau, du, cuir euh, au niveau de la tannerie, comme toutes les autres tanneries, donc euh, on collecte des peaux dans les marchés environnants. Si c'est pas au niveau de la Tabaski, on collecte des peaux dans les marchés environnants et les autres petits villages là où il y a des bouchers ambulants là qui font leur trucs à la maison. Donc c'est partout on trouve euh, les pots là-bas au niveau de la tannerie Gamkale. Comment ça se fait Comment ça se fait Vous avez des jeunes qui que vous employez Oui, quand vous prenez on a au, niveau de la tannerie euh, Gamkale, 75% sont des jeunes. Il y a même des filles mhm. qui travaillent le cuir parce que le, c'est vraiment c'est un métier qui rapporte beaucoup, mais c'est un métier vraiment qui n'est qui est informel. Mhm. Mais tant que c'est bien formalisé, vraiment, c'est un métier qui rapporte beaucoup. Et vous n'êtes pas sans savoir que, je vous disais tantôt qu'il y a aussi des filles. Eux, ils utilisent les, grandes d'acacia là que vous voyez. Les grandes d'acacia là que vous voyez, c'est ça qu'ils utilisent pour venir vendre ça au niveau des, petits marchés. Mhm. c'est là où on fait la boule, comme on le dit. Mhm. Donc, c'est uniquement les femmes qui, viennent pour euh, vendre ça au niveau du marché et trouver leur compte aussi, au niveau de la tannerie. Euh, comment vous. Il y a des prix. À combien vous achetez les peaux d'habitude habituellement euh, ah, Ça dépend. Maintenant, ces derniers temps-là, euh, vraiment, les peaux ne coûtent pas cher. de 2015 à aujourd'hui, la peau du mouton varie entre 750 et 1000 francs. Hmm. Ça, c'est le premier choix. Le mhm. deuxième choix, c'est 200 francs, 300 francs. Il y a même des régions, hein. même au niveau de la tannerie, il y a des pots qu'on ne peut même pas travailler. Nous allons revenir euh, sur euh, justement le type euh, et la qualité de peau que vous utilisez. Alors, au moment de cette fête de Tabaski qui a été célébrée le week-end dernier, mhm. dites-nous, vous recevez ces deux matières en quantité, c'est-à-dire le cuir et la peau Oui, bon, euh, pour le moment, euh, vous savez, là, au niveau de la tannerie, euh, il y a deux activités qui se passent. Il y a la collecte, il y a la collecte et il y a le tannage. Mhm. Maintenant, on est en train de collecter. quand vous prenez l'année l'année dernière, donc à ce moment-ci, on a collecté plus de 50 000 pots, pots de moutons, peaux de chèvres plus de 50 000. Maintenant, euh, au niveau de, du tannage, pour euh, par mois, on, fait, on, on, ne fait travailler que 12 000 par mois. Donc les autres, c'est ça qu'on met du sel pour vraiment envoyer Et au Au cours de cette fête, combien de tonnes vous avez pu avoir à, collecter Bon, jusqu'à présent, on n'a pas fait le compte. On est en train de collecter. collecter. Jusqu'à présent, on n'a pas fait de compte. Alors, monsieur Hamidou, euh, euh, euh, vous êtes spécialiste en sculpture os et cornes. vous êtes spécialiste en sculpture cornes, c'est ça. Selon nos propres constats, euh, le jour de la fête, ce sont pratiquement les pots qui sont le plus demandés par les jeunes et acheteurs ambulants. Les cornes sont jetées à même le sol. On peut dire que personne ne s'y intéresse. Mais comment vous, allez vous trouver ces cornes-là pour euh, les transformer <laughs> Oui, merci. Oui, les, la sculpture sur os et la corne, c'est un métier qui n'est pas très bien développé ici au Niger. Si je peux le permettre, il n'y a, pas, a pas plus de 10 personnes qui pratiquent ce métier. Donc voilà <laughs> la raison qui prouve que vous trouvez un peu partout les cornes et les, et les os jetés. Mm. Mais nous ne sommes pas les seuls en ce moment. Nous ne sommes pas les seuls. Maintenant, nous sommes concurrencés par les expatriés, par les pays voisins. Et nous collectons les cornes et les os au niveau des laboratoires de Niamey et euh, les marchés qu'on appelés les marchés des Katako. Mm. Donc, c'est nos deux sources d'approvisionnement. Mm. Alors, et au cours de la fête, est-ce que vous employez des jeunes euh, pour vous ramasser ces cornes Parce qu'on les voit, même le sol, personne ne s'y intéresse. Euh, bon, généralement, pour notre utilisation, on n'a pas besoin d'employer des jeunes, mais déjà, nous avons notre livre qui est bien spécialisé dans la collecte de la corne. Donc il y a les marchés Katako qui les collectent et qui les entassent. C'est là-bas que nous achetons nos cornes et l'abattoir aussi, l'abattoir de Niamey. Et quels sont les types de cornes avec lesquels vous travaillez On travaille toutes les cornes, ça dépend des produits qu'on a besoin de confectionner. Mais sinon, toutes les cornes et les os sont utilisées. Hmm. Et justement, qu'est-ce que vous faites avec ces cornes Oui, les cornes, je vais parler avec les condes de d'abord, mhm. euh, le les des vaches. Avec les compte des vaches, on peut faire euh, plusieurs produits. Euh, il y a les bijoux aussi, il y a les produits décoratifs. on peut faire n'importe même les, meubles. Pour, parler des bijoux, c'est-à-dire quel genre de bijoux, bijoux des boucles d'oreilles des... Si, oui, n'importe quel genre de bijoux que vous voyez, les bijoutiers, et Touareg font, avec la corne, on peut faire n'importe quel bijou, n'importe quel modèle. Et les meubles aussi des maisons, on peut faire les décorations avec les cornes. Des tableaux Oui, justement. Alors, euh, comme je l'annonçais, notre troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Monsieur Ali Akili, il est artisan. Monsieur Ali, présentez-vous pour nos auditeurs et auditrices. Euh, merci, euh, madame. Comme vous l'avez dit, donc, euh, je suis Ali Kilili, donc, je suis artisan donc, au village artisanal de Wadata mhm. et je suis fabricant des, chaussures, donc je suis cordonnier de profession. Mhm. Monsieur Ali, vous travaillez avec la peau, le, le, cuir. Euh, dites-nous, euh, où est-ce que vous vous approvisionnez en peau À la tannerie de Gamkale Oui, comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, donc, euh, les seules sources d'approvisionnement de, de, la cuir, de la peau tannée ici à Niamey, c'est justement la tannerie de Gamkale. Et il y a une nouvelle tannerie qui est là. Bon, bon, c'est pas une nouvelle, déjà, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, ils sont là. Donc, euh, fruit de la coopération française, le CMCN. Donc, euh, là-bas aussi, ils ont une tannerie moderne. Mhm. Là-bas aussi, c'est une de nos sources d'approvisionnement en cuir. Hmm. Et, quel type euh, de peau vous utilisez généralement Bon, en ce qui concerne euh, mon domaine, nous utilisons deux à trois sortes de, de, peau. Par exemple, quand vous prenez les chaussures que nous portons, pour, euh, pour les semelles, nous utilisons la peau des, vaches, et la peau des vaches et, la peau des chameaux. Hmm. Maintenant, pour ce qui est des tiges, c'est-à-dire la partie supérieure de, la chaussure. Donc, nous utilisons la, peau des petits ruminants, mhm. c'est-à-dire les chèvres, les moutons, les brebis, ainsi de suite. Et vous vous approvisionnez à la tannerie de Gamkali par jour C'est par jour que vous vous approvisionnez ou bien c'est par semaine Bon, l'approvisionnement en matière première dépend de, de la quantité de, de la demande. Mhm c'est-à-dire la demande du produit fini, cest les, commandes que nous recevons. Donc, une fois qu'on a, euh, on a une commande assez consistante, donc euh, l'approvisionnement aussi, normalement, sûrement, c'est consistant. Donc, euh, nous prenons vraiment beaucoup. Mais au cas contraire où c'est minime, là, on se, on rabat aussi un peu pour bien finir le travail. Je reviens vers vous, Monsieur Aminou de la tannerie de Gamkale. Dites-nous comment se fait le travail de la peau à la tannerie. Bon, euh, le travail, c'est comme je vous disais tantôt, et c'est les collectes. Donc vraiment, euh, on a vraiment des jeunes vraiment euh, qui ont l'amour du métier. C'est eux qui collectent des peaux, ou bien qui, ils prennent de l'argent au niveau de leur patron pour collecter les pots dans les marchés et dans les villages environnants qui amènent à la tannerie. Mm-hmm. Donc si ce n'est pas la tabaski où tout le monde... vous voyez, vous c'est des ambulants qui passent partout et c'est tout le monde au niveau de la tabaski, c'est eux qui collectent les pots. Mm-hmm. Mais spécialement ceux qui ont l'amour du métier, ils font ça tous les jours. Mm-hmm. Ils vont dans les marchés, quand tel que Toro dit, eh, Toro dit eh, les, les, marchés, les villages, et, les villages, et les villages environnants. Mhm. Donc vraiment, ce sont eux vraiment qui font la collection des pots pour amener ça au niveau de la tannerie. Et une fois, oui, une fois euh, les pots en votre possession à la tannerie, qu'est-ce que ça devient euh, ça devient un produit, ça sera transformé. Dès que ça. parlez-nous justement du processus de transformation Donc la, euh, la transformation de, de, de peau, c'est d'abord il y a ce qu'on appelle le réverdissage. Donc c'est un module à part. Donc euh, le réverdissage, donc il s'agit de vraiment de mouiller la peau, de mettre de l'eau, les, les peaux dans de l'eau mhm. tiède comme ça. Donc ça dépend la quantité de l'eau dépend de la quantité aussi des pots. Mm-hmm. Donc c'est ça qu'on appelle le réverdissage. Donc c'est pour s'en débarrasser vraiment des déchets, de tout ce que vous voyez comme salité. Donc c'est ça qu'on appelle le réverdissage. Donc après le réverdissage, donc euh, on, va à euh, ce qu'on appelle le euh, l'écholage. Mm-hmm. L'écholage là, c'est un mélange qu'on fait, un mélange de la chaux éteinte, la chaux que vous voyez dans les garages. Mm-hmm plus le natron et de l'eau. C'est ça qu'on appelle le cholage. Donc ce cholage là ça dure 24 heures. Mm. C'est ça qu'on appelle le cholage. Mm. Donc ça, et le cholage consiste vraiment à gonfler, à gonfler les peaux, les peaux que vous voyez, les peaux brutes. Donc une fois gonflé, donc ça, ça, ça, ça s'en débarrasse avec le, le poil. Le poil. Le poil, oui. Donc après, si, ça, si vraiment une fois gonflé, donc euh, qu'on appelle le chelage. Donc, elle s'est débarrassée vraiment des poils. C'est ce qu'on appelle, et, on fait ce qu'on appelle les bourrages. Mhm. Les bourrages là euh, consiste vraiment à lever les poils, les poils qui se trouvent au niveau de la partie fleur mhm. de la peau. Mhm. Après les bourrages, c'est ce qu'on appelle pélanage c'est-à-dire Le pénalage, donc, ça consiste vraiment à dégonfler. Donc, c'est décholer. Maintenant, on a, on a fait le cholage. Maintenant, on déchole. On fait ce qu'on appelle le décholage. C'est-à-dire, euh, donc, euh, vraiment, euh, c'est un mélange qu'on fait d'un arbre naturel qu'on appelle le fataka. Mhm. tomentosa. Mhm. Donc, c'est un arbre que, qui est très efficace et vraiment qui qui remplace un produit chimique. Qui remplace un produit chimique, ça, ça dégonfle la peau. Mhm. Donc, une fois dégonflé, donc ça, ça, reste un, euh, des, des, petites poils. Des petites poils qui restent. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le, le pénalage. Mhm. Donc, c'est se débarrasser des petites poils-là qui restent au niveau de la peau. Et tout ce processus, ça dure combien de temps euh, ça dépend à ceux qui sont ceux qui, par exemple quand vous prenez la peau de, de, de, la tabaski ça prend 5 jours mhm. mais celle qui n'est pas de la tabaski c'est en, 72 heures donc tout est fini en 72 heures, c'est-à-dire euh, c'est disponible, ça peut être sur le marché pour ceux qui euh, veulent. ceux qui font le fatakaya, donc ceux qui font le très très vite là. Donc, euh, alors, Monsieur Hamidou Sarki, vous avez parlé des bijoux, des objets que vous arrivez à produire à travers les cônes. Euh, parlez-nous un peu du processus de transformation des cônes. Comment vous le faites Oui. premièrement, il faut faire le choix d'abord. C'est l'étape la, plus importante. Donc, euh, faire le choix des eaux ou bien des cônes que vous voulez utiliser pour les produits que vous avez besoin de fabriquer. Après avoir fait les choix, donc maintenant ça dépend du produit que vous voulez fabriquer. Si je prends par exemple, euh, si c'est un bracelet ou les boucles d'oreilles, mhm. donc c'est pas toute la corne qui est utilisée, si c'est la corne. Il y a une partie de la corne qui est utilisée, celle du milieu, mhm. qui est plus euh, dense donc c'est cette partie-là qu'on utilise pour les bracelets. Mm. Donc la partie et celle du bout, elle n'est pas utilisée, elle est réservée pour autre chose. Mm. Donc pour les bracelets, une fois euh, choisi la corne, donc maintenant c'est la coupe. Donc vous coupez la partie euh, que je viens de dire, donc euh, la partie qui est utilisée pour les produits. Donc, euh, si vous coupez, maintenant, euh, ça reste une autre étape. Donc, euh, vous allez donner la forme. Et mm. cette forme-là, c'est à peu près c'est en chauffant. Mm. Donc, la corne, c'est comme du plastique. Quand vous le chauffez, vous pouvez le manier comme vous voulez. Vous pouvez l'ouvrir vous pouvez lui donner n'importe quelle forme. Donc, ça dépend de la forme que vous voulez donner à au bracelet. Donc, mm. donc, donc, une fois la forme est finie, donc maintenant, ça revient au façage fonçage, ça c'est enlever les couches superficielles de la cône, donc euh, les déchets autres qui sont sur la cône. Mhm. Donc c'est ça qu'on appelle les fonçages. Quand vous foncez fini, donc euh, après les le fonçage, maintenant, vous allez euh, mettre une autre étape qui est la finition. Mhm. La finition, donc c'est ça qui est très important parce que chaque produit, s'il est mal fini, donc vous allez voir qu'il est mal fait. Tous ces produits que vous arrivez à produire, est-ce que est-ce qu'ils sont prisés par la population Est-ce qu'ils sont appréciés oui. par les Nigériens il est ah, bon, vous savez, donc, euh, <laughs> si je prends le cas général, les Nigériens ne consomment pas les produits artisanaux locaux. locaux. Mhm. Mais ah, petit à petit, les gens commencent à s'adapter, donc ça va aller avec la sensibilisation. Nous, on insiste beaucoup. Mais notre grande clientèle, c'est l'extérieur. C'est les pays voisins et l'extérieur, donc. Euh, c'est ça, ou bien les Européens, ou les touristes qui viennent ici. Donc, Ce sont tous nos grands consommateurs. Donc, euh, c'est à travers les, étrangers que vous arrivez à écouler vos produits, si on peut le dire Justement, oui. La grande partie des produits, c'est avec les expatriés. Monsieur Ali Kilili, quels sont les différents produits que vous, produisez à travers la peau, le cuir euh, à travers la, peau, le cuir, nous produisons vraiment une variété de produits. Donc, euh, on peut citer quelques-uns. Par exemple, vous avez les sacs à main, hommes et dames. Vous avez les chaussures, hommes, dames, enfants. Mm-hmm. Vous avez les, produits décoratifs pour, les maisons, c'est-à-dire euh, on a des tapis euh, pour orner les, chambres, on a des poufs pour s'asseoir, on a des, des lauriers, on a des coussins on a vraiment un tas, on a des, les calepins, mhm. les ceintures, tout est du cuir mhm. et fabriqué au Niger. Donc, euh, mais comme les autres l'ont dit, il y, a ce, marché. il ce problème-là. C'est pas le problème Le problème, c'est le Nigérien ne consomme pas produits nigériens parce qu'il se sent à l'aise avec les produits autres. Mais est-ce que ce n'est pas lié au prix euh, Parce qu'ils pensent que les prix sont, sont, sont élevés. Non, ce n'est pas, lié au prix. Mhm. Moi, je pense que c'est la politique nationale de, de l'artisanat qui ne le permet pas. Parce que quand vous regardez ici, ici chez nos voisins, euh, leur chef d'État en personne, il s'est dit que lui, il est, il est burkinabé. Mhm. Donc, il porte burkinabé. mais malheureusement, chez nous, quand vous regardez, nos chefs, c'est pas ça. Ce sont les Nigériens qui se désintéressent aux, produits locaux. Vous avez compris. <laughs> Monsieur Aminou Habou, secrétaire général de la tannerie de Gamkale, selon certains acheteurs ambulants, la demande d'impôt serait forte au Nigeria et vous-même, vous, l'avez confirmé. Qu'est-ce qui, explique cette situation Oui, c'est ici au Niger, je vous ai dit, euh, dès le début de, l'émission, je vous ai dit que vraiment les, investisseurs ou bien même l'État se désengage vraiment de, produits artisanaux tels que les, les, pots. Euh, je vais vous donner un exemple euh, au Maroc. Quand j'ai fait euh, récemment, là j'ai été au Maroc, l'État exigeait de consommer 40% des produits locaux, locaux. fabriqués. C'est l'État qui exige. Même si tu vas, tu vas un ou bien euh, des je ne sais pas de, de, ou bien des trucs comme ça là on t'exige de, consommer 40%. Mm. Si tu vas par, exemple ici à la devanture de Kalangu si quelqu'un vient et, dire, et vous dire que vraiment il a besoin de, de 3 ou 4 euh, ou, 10 mètres carrés, mm-hmm. il veut faire une boutique euh, ou bien un, comme ça là. Donc on l'exige de consommer tout ce qu'il va faire là. Si que ce soit les, tables et autres là, on l'exige de consommer 40%. Mhm. Donc ici, ce n'est pas le cas. Quand vous prenez le cas de, la, des pots, au niveau du Maroc, c'est du tannage jusqu'à la finition. Tu vas à la tannerie, tu vas trouver les cordonniers, tu vas trouver les maroquiniers. C'est une chaîne, quoi, tu vas les trouver. Ça, c'est l'État qui les a bien organisés. Mhm. Ici, certes, l'État a fait beaucoup de choses parce qu'il nous a, il nous a construit beaucoup et il nous a facilité vraiment de, euh, par exemple, il nous a construit que le village artisanal, la tannerie Gamkale, ça c'est l'État qui, à travers les barres de fond. Mhm. Mais maintenant, ces dix dernières années, l'État s'est désengagé parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un suivi vraiment qui est là par l'État. Non, il n'y a pas ça. Il, il s'est totalement désengagé il s'est basé sur euh, le, changement climatique et autres, là, tout ça. Là. Donc, il s'est désengagé vraiment de, de, de Aucune lutte, euh, lutte venant de, de, vous pour, euh, pour y remédier au problème Bon, jusqu'à présent, c'est notre. Toujours, on dit, on va, on, on venir, on va venir, mais c'est ça, c'est jusqu'à présent que la politique a fait que vraiment ça devient autre chose. Pour, en revenir sur la question de la peau, une mhm. fois la peau tannée, combien de tonnes vous arrivez à écouler par jour Par jour mm. Écouler même Non. Notre marché, ça dépend du marché des maroquiniers, et des cordonniers. Tant que ça ne bouge pas au, à leur niveau là, ça bouge pas pour Oui, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Hein. Et dans tout le Niger, hein, dans tout le Niger, c'est ici Niamey qu'on consomme énormément. Parce que il faut voir, la peau des Anders vient ici, la peau des Tawa et mhm. autres. Mhm. Ils viennent toujours ici au Niamey. Quand Niamey s'est saturé et que Niamey, les coordonnées et les marocains n'ont pas de marché, donc c'est fini. Mhm. Heureusement pour nous, euh, ces dernières années, il y a des Touaregs maliens qui viennent ici chercher. Parce que tu sais, euh, les Maliens ont, je ne sais pas, c'est une culture pour eux. Donc ils exigent, les Touaregs, les Touaregs maliens, tous les quelle graisse là. Donc, il exige que tant que tu vas te marier, il faut que tu fasses le, truc là de tente. la tente en cuir là. Mhm. donc, heureusement pour nous, c'est eux qui viennent vraiment ça provient ici. Il y a ceux, qui achètent plus de 1000, 2000, comme ça là. Par, bon, si ça c'est par mois, hein. nous on fait chaque, chaque jour ou chaque semaine, on sort plus de 2500 pots par semaine. Monsieur Hamid euh, Hamidou Sarki, ce métier de transformation des cornes, qu'est-ce qui vous a motivé à l'embrasser Est-ce que vous avez une formation Qu'est-ce qui vous a motivé juste Oui. Au tout début, les métiers, j'étais pas trop intéressé au métier. Mais avec les temps, comme je vis, qu'on a assez de cornes des, des eaux qui sont là partout au Niger, et qui sont mal utilisés qui sont même rejetés. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas s'investir pleinement sur ces métiers qui mal connu, qui est mal développé ici au Niger. Mm. Et voilà pourquoi je me suis donné avec ma force, parce que c'est avec ma force que j'ai commencé. Les moyens, on n'en parle pas. Mm-hmm. Il n'y a pas les moyens. Donc, je me suis investi dans les métiers. Et voilà, avec euh, l'amour du métier. Donc, euh, je suis arrivé là où je suis maintenant. Donc, vous venez de le dire, vous n'êtes pas assez nombreux qui êtes euh, dans ce métier ici au Niger. Est-ce que, euh, à la date d'aujourd'hui, vous avez eu à, initier d'autres jeunes pour, qu'ils s'intéressent, pour développer ce métier ici au Niger Tu sais, le problème des Nigériens maintenant, les jeunes, c'est ça notre grand problème. On parle du chômage et autres, et malheureusement, nous, les Nigériens, c'est les facilités qui nous intéresse beaucoup. C'est forcer, c'est donner un peu là. Chez nous, là, il n'y a pas ça. Sinon, le travail des cornes et des os, ça demande un peu d'effort. Mhm. Et les jeunes ne veulent pas fournir un peu d'effort. Ce qui les intéresse, c'est les facilités seulement. Sinon, la richesse que Dieu nous a dotée, ici au Niger, on a plein d'animaux, on a plein de tout. Malheureusement, c'est les autres pays qui en bénéficient. Mm-hmm. Si je vous parle maintenant, si vous partez au marché Katakola, si vous voulez une tonne de cornes, vous n'allez pas trouver. Il n'y a pas. Mm-hmm. On a tout acheté. À travers le Nigeria, le Ghana, et on va amener ça à la Chine. C'est à peine que nous arrivons à trouver les cornes et les œufs que nous travaillons. Mm-hmm. Et c'est notre richesse à nous. Et on parle du eh, chômage euh, et tout. Moi, ça me choque quand je vois des jeunes parler du chemin et autres. Sinon, il y a des métiers, il y a tout sous nos pieds. Mais malheureusement, les jeunes ne se donnent pas. Monsieur euh, Ali Akilili, quelles sont les vraies difficultés que vous rencontrez dans ce métier Oui, vraiment, difficulté à difficulté. Et surtout dans le, travail de cuir ici au Niger, euh, d'abord, il y a les préjugés sociaux parce que les Nigériens pensent que quelqu'un qui travaille les cuir, c'est, il est de, la basse classe, comme on dit. Euh, il y a des gens qui, le considèrent comme ça, malheureusement. Euh, mais euh, le problème, le deuxième problème qu'on rencontre, c'est, c'est un problème institutionnel. C'est-à-dire C'est-à-dire, comme mon prédécesseur l'a dit, et pour ce qui est de l'appui de l'État Certes, l'État a fait de son mieux, mais ça traîne toujours. Parce que l'artisan qui travaille dans son atelier, lui directement, il ne le, sent pas. Mm. Ces efforts-là qu'il est en train de faire. Et le troisième problème, c'est le problème de la non-consommation par, les Nigériens. Et en plus, nous avons un problème interne propre à nous, entre tanneurs, et producteurs. Quel est ce problème -là? Ce problème qu'il y a entre tanneur et producteur, et c'est le problème du, traitement du cuir. Mm-hmm. Parce qu'il y a du cuir, quand on le dépose parfois dans des endroits humides, ça sent. Mm-hmm. Donc, il y a la qualité qui fait deux fois défaut. Voilà. Donc, euh, ce problème-là, on a beau chercher à remédier, vraiment, ça traîne toujours c'est ce problème-là. Donc, euh, je pense que à travers des, plateaux comme ça, peut-être on aura euh, des, oreilles attentives pourront peut-être nous entendre et puis nous appuyer dans ce sens. Mhm. Voilà. Et, Monsieur Hamidou, Aminou, autant pour moi, de la tannerie, vous dites que vous recevez des, des pots venant de toutes les régions. Mhm. Donc, dans les régions, aucune tannerie n'est en marche Ah si, il y a la tannerie de, de Tawa, commune, il y a la tannerie Tamaské, il y a la tannerie Magaria. Quand tu prends la région des Anders, il y a plus de cinq tanneries qui sont là-bas. Il y a Dadin il y a il y a Gogo, il y a, plusieurs, il y a Zango. Donc, quand tu prends la région des Anders, il y a plusieurs tanneries. Amaradi aussi. Ce sont, ce sont toutes des tanneries de l'État euh, Bon, non. C'est quand tu prends la tannerie de Tawa, Tamaski, Magariyamakira, ça c'est sous contrôle de l'État. Euh, et, la tannerie de Gamkali. Mais les autres tanneries, c'est des tanneries euh, traditionnelles. Et pourquoi euh, votre tannerie, la tannerie de Gamkale, l'État ne l'appuie pas pour que vos produits puissent être bien utilisés ici au Niger c'est pas c'est pas que l'État n'appuie pas. Mm. C'est-à-dire euh, l'État lui l'État son appui c'est un appui technique. Mm. <laughs> C'est pas un appui financier donc c'est c'est un appui personnel. si vous si vous avez besoin de conseils c'est un conseil qu'il va vous donner. Si vous avez besoin de facilités ou bien des papiers comme ça là l'État appuie. Mais quand il s'agit d'un appui financier ou bien euh, euh, vraiment à, négocier avec quelqu'un d'autre Certes, l'État, comme je, viens, je venais de, le dire, eh, l'État, certes, négocie. Mais maintenant, ces dernières années-là, les dix dernières années, jusqu'à présent, l'État est, trop timide. Ce sont les, les, vraies difficultés que vous rencontrez Les difficultés, mon ami l'a évoqué. Certes, ces, eh, ces, difficultés sont là, mais c'est pour moi, ce n'est pas de difficultés parce qu'on a reçu pas mal de formations eh, par rapport à l'odeur. Euh, le problème qu'on trouve ici, c'est au niveau des maroquiniers. Et donc, je retourne euh, au niveau de mon ami. L'odeur, là, c'est un problème de traitement. Mhm. Et le traitement, là, ça, ça, ça demande énormément de, de, coûts. Ça a un coût. Mais c'est ce coût-là qui est un problème au niveau de maroquinier. Par exemple, lui, il a l'habitude d'acheter une peau à 1000 francs. Mhm. Quand je je fais le traitement là et je lui dis que la peau là vraiment, mais au lieu de 1000 francs, c'est à 1500 francs. Mhm. Déjà, elle a vu déjà une augmentation de 500 francs. Si lui, il a compris, les 95% ne vont pas comprendre qu'entre cette peau-là et celle-là, ce n'est pas la même chose. Mhm. Il y a la qualité. Moi qui vends à 1500 et celui qui vend à 1000 francs là, celui-là, il va faire, il va multiplier 100 fois plus que moi. il va vendre plus que moi. Ce mhm. n'est C'est pas tout le monde qui connaît la qualité. Oui, à combien vous revendez la peau à niveau à l'unité euh, À l'unité, je, vous dis que ça dépend de la euh, qualité mhm. et de, la taille, du choix et de la qualité seulement. C'est la qualité. Il y a le premier choix jusqu'à présent, c'est à 10 000. Mhm. le, quand tu prends une dizaine, on, prend, on vend ça par dizaines. Il y a à 10 000, 15 000, vous voyez. Donc le, le rejet ou bien le, le, troisième et le quatrième choix, c'est à 7 000, 6 000, 5 000. Et même à 200 francs, hein, mm. le rejet, vous voyez. Monsieur Hamidou Sarki, les cornes, à combien vous les achetez Oui. Les Au tout début, cornes. les cornes, on les prenait gratuitement. Mais maintenant, ce n'est plus le cas comme <laughs> il y a des demandes. Mhm. Maintenant, une paire de comptes se vend à 1000 francs. Une paire. Une paire. Oui. D'un bœuf ou d'un mouton Non, une paire, si j'ai dit, bon, chaque tête a deux cornes. Oui, je sais, pour, pour le bœuf. Pour, le bœuf. pour le bœuf. Oui, pour le mouton, maintenant, nous sommes les seuls sur le terrain. Donc, euh, c'est nous qui décidons du prix jusqu'à présent. Donc, euh, ça dépend. Tu peux faire ton sac et donner quelque chose. Mais pour les cornes de bœuf et les os, ça c'est autre chose. Mm. Des, fois même, une seule corne, tu peux trouver une seule corne à 2000. Mm. Ça dépend de la qualité de la corne. Si elle est longue, très bonne comme les vaches azawad là, mmh. Alors, au niveau de votre coopérative, euh, la coopérative des métiers d'art du Niger, ils sont nombreux ceux qui transforment cette corne oui, Vous êtes on est cinq, ceux qui font la transformation au niveau des centres de métiers d'art. Est-ce que vous avez euh, une fois eu euh, l'opportunité d'avoir une quelconque formation venant de l'État Bon, euh, venant de l'État directement, mais avec des partenaires. Des partenaires. Oui, avec des partenaires, on a eu pas mal de formations. Monsieur Akilili, au niveau du village artisanal, quel appel avez-vous à lancer aux Nigériens pour qu'ils puissent consommer local merci beaucoup. Vraiment, comme vous l'avez dit, nous souffrons de, de, ce, de ce manque d'intérêt de nos produits par les Nigériens. Parce que nous sommes des Nigériens et nous sommes, comme il a dit, à peu près à 60% de, de la population nigérienne. Nous sommes tous des artisans. Et si on dit que tout ce que nous allons fabriquer, tout ce que nous allons produire, il faut le prendre pour l'amener à l'extérieur, ou bien il faut attendre des touristes qui vont débarquer au Niger et puis essayer de choisir quelques pièces mhm. pour repartir avec, là l'artisan il ne va pas vivre. Mhm. Mais si nos frères et sœurs nigériens, à commencer par les plus hautes autorités de ce pays-là, s'ils regardent de notre côté, avec un peu d'humilité, qu'ils nous permettent de bien vivre et de vivre décemment. Vraiment, c'est d'appeler la population nigérienne à consommer ce que nous produisons au Niger. Mhm. Parce que nous en avons, nous avons l'expertise. Nous avons des gens capables de faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons le faire. Nous pouvons satisfaire le besoin des, Nigériens. Et nous en appelons vraiment à cette population nigérienne d'essayer vraiment d'essayer, de d'essayer, de consommer des produits nigériens. Aminou Habou, quel est votre appel euh, Mon appel, d'abord, avant d'appeler, c'est un remerciement. On a oublié vraiment de remercier la radio Kalangou qui nous a vraiment pensé à nos métiers, à nos différents métiers. Vraiment, on remercie vivement du haut jusqu'en bas, vraiment les, les personnels vraiment de la radio Kalandou, vraiment on les remercie vivement, vraiment du fond, ça nous va vraiment droit au cœur, mhm. vraiment d'avoir pensé à l'artisanat, ça c'est l'artisanat entier, parce que quand vous prenez le cuir, donc ça englobe tout, même lui il travaille le, cuir, mhm. donc vraiment on vous remercie vivement et ça nous va vraiment droit au cœur, et qu'Allah le Tout-Puissant vous aide et vous euh, vous accompagne dans votre noble mission. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Mhm. Et l'appel, mon appel, c'est ce que je... c'est toujours ça, c'est le même appel que, que mon, euh, prédécesseur. prédécesseur. prédécesseur. Mhm. Donc vraiment, c'est C'est toujours consommant euh, le produit nigérien. On a ce problème-là. Quand vraiment tu n'as pas l'amour de ton pays, c'est pour cela que tu pars à Dubaï, tu viens, tu, tu achètes une table, à, deux, trois jours, ça casse et tu retournes encore pour acheter. On te dit, moi j'ai acheté ça de Dubaï. Alors que cette table-là, si tu regardes cette table-là, c'est une table qui est fabriquée au Niger. Ah mais à quoi, regarde, c'est très, c'est très joli et mm-hmm. c'est bien. Donc vraiment, je, je, je termine par vous, Hamidou Serki. Eh, mon appel d'abord, je veux vous donner un exemple. <laughs> Rapidement. Et eh, dans la sous-région, les artisans nigériens, nous sommes les meilleurs. Mhm. Ça, j'ai défié quiconque. Mais nous sommes les derniers, les plus pauvres de la sous-région. Pourquoi Parce que ailleurs, ils sont soutenus par les opérateurs économiques. Nos opérateurs économiques doivent s'investir dans l'artisanat on peut s'en sortir. Ce n'est pas aller acheter, aller acheter des produits à Dubaï et nous amener. Prenez nos produits et amenez aussi. Mm. Comme ça, vous allez les proposer, les produits. Mm. C'est comme ça les échanges. Ce n'est pas aller amener l'argent seulement et revenir avec des produits de n'importe quoi. Je lance mon appel au niveau des les autres, on dit l'État, mais les opérateurs économiques aussi doivent s'investir. On peut créer des entreprises des, quoi, dans le secteur artisanal. Ali. Merci à vous. Nous sommes au terme du forum de ce soir. Nos remerciements vont à nos invités, M. Hamidou Serki de la coopérative des métiers d'art du Niger. Il est spécialiste en sculpture, os, cornes et tableaux à croix. Merci à vous d'être venu. Merci également à M. Aminou Habou, secrétaire général de la tannerie du Niger, et M. Ali Kilili, il est artisan au village artisanal de Niamey. Merci d'être venu. À la présentation, c'était Fils Adam Sirfou, réalisation Boubacar Diallo et à la technique à Santa À demain 18h15 pour un autre forum du studio Kalangou.